Le ministère du Développement communautaire, euh, de l'équité sociale et territoriale, à l'instar de plusieurs structures hein, du, pays, a voulu marquer euh, par cette célébration euh, Octobre on le sait tous, Octobre Rose, c'est des actions de solidarité, c'est des actions de sensibilisation, mais c'est des actions aussi de, de, prévention contre les cancers, euh, surtout féminins, le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein principalement. Donc le ministère euh, n'a pas voulu être en reste. C'est pourquoi avec euh, l'accord de M. le ministre Monsourfei, la cellule genre du ministère a organisé cette cérémonie de dons de bons de mammographie à l'ensemble du personnel féminin au niveau central, mais aussi au niveau des structures qui sont rattachées au ministère. 200 bons au personnel du féminin du ministère, mais aussi au personnel de la sphère euh, ministérielle, surtout le personnel d'appui. Donc parce qu'il ne faut pas oublier aussi que nous sommes le ministère en charge de l'équité sociale. Donc nous avons voulu privilégier cette cible qui travaille tous les jours avec nous et qui nous aide à maintenir nos bureaux propres. Amna solo torop parce que permettre ak ñaari téeméeri jigéen ñu saytu sen yaram par la mammographie lolu dafa am solo euh, euh, ça veut dire que ñi liggéey fi ñëpp euh, ñu ñu ngi leen bàyyi xel té suñu ñaanul ma leen yalla ñu gis ci dara mais suñ ci gisee dara dinañ leen accompagner inshallah. Thank you.